60 jours 60 vidéos jour 54 sama gars Nous ñun ñëpp beaucoup écosystème Apple mais si nous avez loolu ñëpp c'est iPhone iPad MacBook AirPod Apple Watch yooyu ay appareil Apple mais c'est important pour nous nous a expérience écosystème Apple mais écosystème bloque le applications AirPlay AirDrop continuité avec iCloud iCloud un moyen essentiel parce que appareil Apple y dañ ko wara am et lo non day barrière pour sa appareil bañ l'autorisation autorisation pour meuna partager information parce que sa iCloud da ci fichiers pour permettre nga mën kam accès si sa appareil Apple pour comme don MacBook iPhone ou iPad AirDrop moy li lay permettre nga meuna entre ses appareils Apple AirPlay moy li lay permettre nga meuna musique si sa téléphone iPhone ensuite légui partager son bi si sa MacBook wala si AirPod du Jambour wala nga partager ko si sa télé si écran bu gëna le fait que nous mën à à lire les fenn un appareil Apple continuer ko bien appareil Apple ou ben appareil compatible AirPlay mais continuité moi si ëpp solo continuité mooy li lay permettre de copier sa iPhone coller ko si sa MacBook wala commencer à lire sa iPhone terminer ko ce MacBook ou nga terminer ko iPad moom itam permettre nga utiliser sa iPhone pour scanner des documents ou nga utiliser sa caméra téléphone comme webcam ñeenti application il application a ngay dund expérience écosystème Apple et nous une expérience écosystème parce que l'écosystème est bien, mais bien comme te bul fàtte abonné wu